le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir à tous, il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques de débat et de dialogue sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique composé de 45 radios partenaires émettant dans toutes les huit régions du Niger. Ce soir, nous vous proposons le thème les conditions d'inhumation des personnes décédées de la COVID-19. Quel impact euh, psychosocial sur euh, les membres de leur euh, famille Perdre un être cher peut avoir d'immenses conséquences et provoquer une dépression difficile à gérer pour la personne qui en souffre. Ces conséquences du deuil sur la santé psychique et psychologique, bien que souvent passées sous silence, peuvent être encore plus rudes à endurer dans certaines conditions où la personne en deuil se trouve face à certaines situations. C'est le cas de l'inhumation des personnes décédés de la COVID-19 que seuls des spécialistes sont habilités à faire dans les règles de l'art afin de pallier toute propagation de la maladie. Comment se fait cette euh, inhumation des personnes mortes de la COVID-19 Quelles sont les différentes étapes de cette euh, inhumation quel peut être l'impact de cette façon inhabituelle d'enterrer un mort sur les membres des familles endeuillées Comment l'aspect psychosocial du décès est-il géré Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons dans ce studio Dr Moussi Maïga Al-Hassan, coordonnateur santé et nutrition de la Croix-Rouge nigérienne. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Et en ligne au téléphone, le psychologue Dr Halid Moussa. Docteur, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Deji. Pour commencer, rappelons tout d'abord qu'à la date du 6 août 2020, sur 11 294 personnes testées, 1153 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1057 sont sorties guéries, 27 en cours de traitement et 69 euh, décès. Docteur Moussi Maïga Alassane, dites-nous comment la Croix-Rouge nigérienne participe à l'inhumation des personnes décédées de la COVID-19. Bonsoir. Donc, la Croix-Rouge nigérienne étant auxiliaire des pouvoirs publics, donc s'est vu confier de manière officielle les enterrements dignes et sécurisés parce que vous le savez, à travers le monde, dans toutes en tout cas les épidémies qui ont euh, secoué les pays, la Croix-Rouge a toujours été là pour euh, les activités d'un ligne et sécurisé. Donc, euh, c'était le cas en 2014 où le ministère de la Santé, dans le cadre de la préparation à une éventuelle épidémie d'Ebola, a fait appel à la Croix-Rouge. Donc, euh, on a été formé, on, on s'est préparé. Donc, heureusement, il n'y a pas eu l'épidémie d'Ebola au Niger. Et donc, quand euh, l'épidémie de la COVID-19, le Niger s'est vu en tout cas en épidémie. Donc, le ministère a toujours fait appel à à la Croix-Rouge nigérienne, étant une institution qui a l'expertise. Parce que déjà, nous avons les volontaires formés et nous avons tout ce qui est intrant pour les enterrements dignes et sécurisés, donc les sacs mortières et les combinaisons, tout ce qui s'ensuit, qu'on avait prépositionné depuis 2014 pour euh, préparer Ebola. Voilà un peu la manière dont la Croix-Rouge, en tout cas, intervient dans la lutte contre euh, la COVID-19 au niveau euh, des enterrements dignes et sécurisés. Et comment vos volontaires, les volontaires de la Croix-Rouge, euh, ont-ils été formés pour réussir cette mission Vous savez, à ce qu'on appelle les procédures opérationnelles standardisées en ce qui concerne les enterrements dignes et sécurisés du Niger. Donc, bien avant ça, il y a les procédures POS standardisées de l'OMS sur lesquelles nous avons essayé de former nos volontaires. Et après, avec euh, ces procédures du ministère de la Santé, nous avons essayé en tout cas de réactualiser, de former les, ces volontaires qui sont déjà formés. Ils ont été formés et ils ont été équipés, donc en collaboration avec le ministère de la Santé, euh, comme on le veut. Ils sont au nombre de combien environ les personnes formées dans le cadre euh, de ces inhumations Donc ici à Niamey, parce que nous avons formé dans les autres donc à Niamey, nous avons formé deux équipes de 6-6 parce que c'est ce que eh, les normes recommandent. Hum. Donc nous avons formé 12 eh, à Niamey, dont 6 équipes qui se relaient. Une équipe travaille 24 heures, donc elle se repose à 24 heures et l'autre prend euh, le relais. Hum. C'est comme ça qu'on a travaillé à Niamey. Dans les autres régions comme Maradi, Zander, Agadez, Difa, autres, donc nous avons formé une équipe, une équipe parce que l'ampleur de l'épidémie n'est pas en tout cas le même dans ces régions-là. Docteur, euh, y a-t-il d'autres acteurs qui vous accompagne euh, dans cette tâche et eh Oui, parce que les enterrements dignes et sécurisés sont sous la coupe de la commission PCI, Prévention et Contrôle de l'infection. Vous savez que le Comité national technique de lutte contre la pandémie de la COVID-19 est subdivisé en huit commissions. Donc, parmi ces huit commissions, c'est la commission PCI. PCI, c'est la prévention de contrôle de l'infection qui a en charge la coordination de ces enterrements dignes et sécurisés. Et cette commission est composée de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, de l'OMS sous le lead du ministère de la Santé. Donc, en ce qui concerne les entourements dignes et sécurisés, c'est la Courage qui a le lead, parce que c'est elle qui a le personnel formé, c'est elle qui a les volontaires équipés, mais on se fait en tout cas appuyer aux besoins par euh, le ministère de la Santé, l'OMS et puis l'UNICEF. Docteur Halid Moussa, vous êtes euh, psychologue. Quelle lecture euh, socio-psychologique faites-vous de la mort euh, et en particulier d'une mort liée à la COVID-19 D'abord, c'est les afflictions, c'est le deuil. La personne est décédée et que sa famille est endeuillée. C'est ce qu'on appelle l'affliction. Donc, par rapport à cette problématique, il est important d'associer des psychologues dans la lutte contre le COVID-19 pour dire qu'en réalité, la prise en charge psychosociale doit être, dans un premier temps, au niveau de la personne avant même qu'elle décède. Voilà la pathologie qu'elle vit, comment est-ce qu'elle peut la supporter. Et la famille, sachant qu'en réalité, euh, dans les messages qui ont été conduits, que la personne peut mourir, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède, il n'y a rien. Mais au sein de la famille, il faut un accompagnement psychosocial. L'accompagnement psychosocial ira dans le sens selon lequel que faire admettre aux membres de la famille qu'en réalité, voilà ce qui est en train de se produire. On ne connaît pas quel est le statut social de cette personne. Et on peut dire qu'en réalité, ça peut être un traumatisme psychologique qui peut s'accentuer à un degré plus élevé les uns par rapport aux autres selon la relation qu'ils entretiennent avec la personne décédé. En dehors de cela, après l'affliction, c'est qu'on va atterrir au niveau euh, du stress. Et on n'est pas seul de savoir que euh, le stress, euh, psychologiquement parlant, c'est quelque chose qui déstabilise une personne. Mais maintenant, la situation à laquelle où on ne voudrait pas arriver, c'est le stade de la dépression. Le stade de la dépression le conduit au non-contrôle de certains comportements de la personne, que lui-même peut avoir des idées lugubres et ne pas accepter que tel individu qui est décédé suite au Covid-19, le rôle qu'il jouait la place qu'il occupait et tout ce qui s'ensuit peut être problématique au niveau de sa survie à lui. Et la dépression, ce que ça devient aussi une problématique du stade neurologique. Quand ça vient au niveau du stade neurologique, c'est qu'il faut qu'on aille à un niveau de stabilisation. Et si on ne stabilise pas, c'est-à-dire en dehors même de la personne qui est décédée suite au Covid-19, c'est qu'on risquerait aussi d'avoir aussi des personnes qui vont décéder aussi par rapport à la dépression selon leur degré d'intensité de la dépression. Parce que la dépression, on peut observer la dépression modérée, la dépression grave et aussi la dépression sévère. Et si l'individu arrive euh, à la dépression sévère, c'est qu'il y a aussi des tendances suicidaires qui peuvent se développer par rapport à ce niveau. Donc, euh, la personne est confinée, il faut un accompagnement psychosocial. La famille est victime du confinement, c'est qu'ils ont besoin aussi d'assistance psychosociale. Et on peut essayer d'atténuer certaines circonstances. Parce que, imaginez aujourd'hui, on dit que votre parent est décédé suite au Covid-19 et qu'il est enterré et qu'aucun membre de famille n'assistera à l'enterrement. Culturellement parlant et ancestralement parlant, ancré dans notre esprit, quand même pour inhumer une personne est un rituel. Alors, c'est pas du rituel maintenant, c'est qu'il faut donner le bain aux, décédés et il faut aussi que la famille participe à l'enterrement euh, de la personne décédée suite au Covid-19. Mais les familles ne peuvent pas comprendre et peuvent être scandalisées et traumatisées par rapport à un stress très grave, aller même jusqu'au niveau de la dépression, pour dire que nous, nous n'avons pas eu le temps par rapport au rituel culturel d'ingérer la dépouille, quoi. Donc, c'est ce que, en fait, le comité qui agit et au niveau de l'enterrement, et au niveau du confinement, et au niveau de la famille, doit faire participer les psychologues pour que la famille puisse atteindre à un niveau, quelconque que ça soit, c'est-à-dire du niveau du traumatisme proprement dit arrêté. Et aujourd'hui, nous sommes une société, nous vivons des cultures, nous vivons des rituels, que ce soit au niveau de toutes les religions. On prend votre dépouille, on dit, bon, ok, c'est votre dépouille, elle est décédée, il faut aller l'enterrer, personne ne participe euh, pour crainte de contamination. Donc, l'approche psychosociale va amener les gens à comprendre le processus, le pourquoi et du comment la famille ne peut pas participer, est-ce que les Indiens peuvent être plus en charge pour accepter cette problématique, pour ne pas à leur tour, en réalité, parce dehors du Covid-19, quand vous me parlez de la problématique psychologique, c'est que ces personnes aussi peuvent être atteintes d'un traumatisme grave, sévère, où les conséquences aussi vont être euh, observées et suivies. Nous reviendrons donc, docteur, sur certains aspects de votre intervention. Le temps de poser la question à docteur Moussi Maïga Alassane. Comment se fait cette inhumation des personnes mortes de la COVID-19 Quelles sont les différentes étapes de l'inhumation d'une personne sont de la COVID-19 du lieu du décès jusqu'à sa mise en tombe. Donc, nous avons mis en place euh, un algorithme en cas de décès. Donc les décès, c'est soit des décès qui sont enregistrés au niveau hospitalier, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, ou bien les décès communautaires. Il y a deux situations. Et si c'est au niveau des centres de santé, précisément au niveau du centre de prise en charge des personnes atteintes de la COVID-19, les corps sont transférés au niveau de la morgue et là, on fait appel à nous. Maintenant, si c'est un décès communautaire, un décès qui a eu lieu au niveau euh, domicile, donc c'est là où ça prend beaucoup plus, il y a beaucoup plus de protocoles. Donc je vais commencer par euh, les cas de décès communautaire. Cas un décès communautaire, généralement, la famille appelle au moment vraiment euh, du pic de, de, la pandémie de, la COVID-19. Donc la famille appelle soit le SAMI, ou bien la police secours ou bien parce qu'ils ont une connaissance au niveau du comité national technique. Ils saisissent euh, le comité et le comité nous saisit. Et à un moment donné, nous avons, au niveau même communautaire, nous avons mis en place un système où on peut euh, saisir le chef de village, le chef, le chef de quartier ou village, ça dépend, qui va saisir euh, à son tour euh, la mairie. Donc la mairie va saisir le district sanitaire ou bien la, la direction régionale de la santé qui va nous saisir. Donc à travers tous ces mécanismes-là, nous recevons les informations. Maintenant, quand on a l'information, on rassure d'abord la famille, comme quoi de ne pas s'approcher et de ne pas toucher le corps, de ne pas s'affoler. Donc, euh, nos équipes se déplacent pour aller sur place. Donc, une fois sur place, il y a ce qu'on appelle euh, BENCOM, ben donc euh, communication avec les bénéficiaires, qui fait partie en tout cas du processus d'enterrement digne et sécurisé. Ça prend en tout cas en compte l'aspect psychosocial. D'abord, c'est de les sensibiliser par rapport à la maladie, essayer en tout cas, il y a une prise en en charge, en tout cas, psychosociale primaire, si je peux me le permettre, parce que dans notre équipe, nous avons deux experts, un psychologue plus un, un sociologue. Le sociologue, il est même enseignant, chercheur à l'université de Niamey. Il a été recruté par la Croix-Rouge. Maintenant, plus un psychologue que le siège nous a envoyé, c'est un expatrié. Donc, euh, c'est eux qui prennent en charge cet aspect psychosocial. Donc, euh, les volontaires ont été formés, personnages ont été formés par le minimum. Les premiers secours psychologiques, on appelle. Donc, euh, on a tous été formés en premier secours psychologique, socio-psychologique, si je peux me le permettre. Donc, qui permet d'abord de maîtriser son stress, d'essayer, en tout cas aussi, de prendre en charge les bénéficiaires. Donc, il y a ce Bencom qui rentre en contact à la famille, qui explique à la famille, qui essaie de rassurer la famille, tout ça là, de donner le maximum d'informations à la famille et de, surtout faire de sorte que la famille accepte ces enterrements dignes et sécurisés. Pourquoi il faut accepter Voilà les avantages et quand on ne fait pas, voilà. Donc pour en tout cas essayer, si je peux le dire, euh, faire accepter du coup euh, la famille. Donc une fois que c'est cette partie Bencom, Beneficiary Communication est fini. On sait que la famille a compris, la famille a accepté, tout est bon. Maintenant, nous allons procéder d'abord à la désinfection avant même le corps de la maison jusqu'au niveau de la pièce dans laquelle se trouve euh, le défunt. Donc, euh, vraiment avec euh, une technique bien donné, universel, avec euh, aussi des produits. Donc, généralement, dans les épidémies, on utilise euh, l'hypochlorite de calcium, qui est un dérivé chloré, qui agit en autres sur les gemmes. C'est avec ça on a travaillé en Guinée avec l'épidémie d'Ebola. C'est très efficace. En tout juste là, c'est ce que l'OMS recommande. Donc, euh, avec vraiment des techniques bien données. Donc, on désinfecte la maison, la pièce, et on procède à la désinfection du corps d'abord. Et bien avant ça, les volontaires s'habillent en Et puis c'est les équipements personnels individuels. Donc, la combinaison, les bottes, les gants, le tablier, les lunettes, cache tout ce qu'il y a. Donc, il faut qu'ils se protègent d'abord intégralement. Donc, ils procèdent à la désinfection hum, des lieux et après la désinfection du corps. Donc, une fois euh, la désinfection du, corps est finie, maintenant, ils mettent ça dans le sac mortier. Donc, on amène à la morgue. Et quand on amène à la morgue, parce que généralement, au niveau communautaire, c'est des cas suspects. Donc, on fait appel à l'équipe du laboratoire pour prélèvement. Donc, euh, une fois prélevé, on consigne le corps, on ne touche pas, jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Donc, si c'est positif, là, on sait que c'est un cas de la COVID-19, donc on procède à l'enterrement digne et sécurisé. en cas de négativité, il n'y a pas de souci, donc euh, le corps n'est pas contagieux. Là, on cède carrément le corps à la famille pour vraiment les rituels habituels. Donc le problème ne se pose pas. Donc c'est en cas de positivité maintenant on procède. Donc là, au niveau de la morgue, donc le plus souvent, qu'est-ce qui se passe ici c'est au niveau communautaire Parce que là, on a déjà désinfecté, on a déjà mis dans le sac mortier Là, directement, il ne faut pas ouvrir. Parce que quand on ouvre et on veut manipuler, c'est vraiment des problèmes. Euh, et le risque est très élevé. Donc, directement, euh, là, on va procéder, on informe la famille. Donc, avec la famille, et nous procédons à l'enterrement devant la famille. Et là, on désinfecte euh, le, sac mortel. Et en ce moment, la famille, en tout cas, si la famille le veut, ils peuvent même prendre, mais tout en se protégeant avec des gants, avec euh, bavettes et un peu et, des tabliers. Donc, la famille peut prendre le corps, mais nous, nous allons superviser. Même la mise sous terre, si la famille veut, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'on veut qu'on soit présent pour qu'on n'ouvre pas le sac mortier pour euh, manipuler ou faire quoi que ce soit. Donc, généralement, c'est comme ça on procède quand il s'agit d'un décès communautaire. Maintenant, quand c'est un décès intra-hospitalier, donc là, c'est beaucoup plus euh, souple, parce que déjà, c'est confirmé. Et le plus souvent, euh, c'est les mêmes les familles qui demandent à l'hôpital de faire appel à nous et là, quand on vient, il y a des familles qui ne veulent même pas toucher, par crainte de se faire contaminer. Donc les familles ne veulent même pas toucher. Ils nous disent, on vous donne faveur, il faut faire. Donc jusqu'à la mise, on a eu des cas où jusqu'à la mise sous terre, la famille dit non, nous on ne touche pas. Tout ce que vous faites, nous, nous, nous, avons confiance parce que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a des familles qui veulent participer, donc le problème ne se pose pas. Le matériel de protection, on leur donne la combinée, tout ce qui est en tout cas matériel de, de on les habille et on leur explique avec nous, voilà. Mais pas beaucoup, une, deux personnes maximum. Donc avec nous, on fait en tout cas tout ce qu'il faut faire. Si et euh, le linceul à, à, parce qu'il y a, d'autres qui même même le linceul ils veulent pas. Donc pour pour des précautions. Maintenant s'il y a de linceul, s'il y a des tout ce qu'il faut faire. Donc euh, on essaie de le faire dans les normes. Ça ne peut pas se faire comme de, de manière habituelle en train de les normes. La famille fait ça avec nous jusqu'à ce qu'on met le corps dans le sac mortier on désaffecte, on amène au niveau des cimetières. Parce qu'on a eu des cas où la famille, euh, a même fait la toilette mortière, tout, tout, a été respecté, mais dans les normes de, de, barrières. Quoi. Donc, une, fois fini là, on amène au niveau des cimetières, donc on fait l'enterrement. Docteur euh, qui sont donc euh, les personnes euh, autorisées à participer aux funérailles d'une personne euh, décédée de la COVID-19 Bon, et vous savez, avec la COVID-19, dans les mesures barrières, on ne veut pas qu'il y ait de rassemblement. Mhm. Vous voyez un peu. Donc, du coup, le nombre de personnes qui doivent assister même à l'enterrement doit être réduit. Généralement, on parle de 20, entre, 50 à, entre 20 à 50 personnes. Voilà. Donc, pour euh, respecter et la distanciation de 1 mètre, parce que quand il y a beaucoup de monde, on ne peut pas respecter cette distanciation. Voilà, donc au niveau des cimetières. Mais euh, au niveau de la morgue, ça ne dépasse pas deux. Mais dans des cas exceptionnels, on a eu euh, des situations où quand on finit en fait quoi de préparer le corps, il y a peut-être les enfants du défunt qui veulent voir. Donc là, on les fait juste rentrer, ils voient, ces, gens-là, voient le corps et ils ressortent quoi. Mais au niveau en tout cas des, euh, au, niveau en de la préparation du corps, ça ne dépasse pas généralement, on ne dépasse pas deux personnes maximum. Donc qui, qui sont là, parce que par expérience en Guinée, on a eu des situations où des gens disent que on a, on en tout cas prélevé des organes, tout ça là. C'est cela que de la procédure, on veut que qu'il y ait au moins un membre de la famille qui est là. Il n'est pas obligé de participer avec nous, mais qui observe tout ce qu'on est en train de faire, qui va rendre compte à sa famille. Voilà que vraiment, on n'a rien. Bon, au Niger, les gens n'ont pas ces considérations. Mais c'est des situations que personnellement, j'ai vécu en Guinée au cours de l'épidémie d'Ebola. Donc à chaque fois, il faut que la présence d'un membre de la famille pour voir exactement. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi les équipes d'enterrement dignes et sécurisées prélevaient des organes, faisaient ceci, cela. Donc au Niger, ce n'est pas le cas, mais juste pour, que la famille puisse voir. Mais il y a des familles qui ne veulent pas du tout. Ils disent, OK, jusqu'au cimetière, c'est nous qui, en tout cas, c'est nos équipes qui faisons tout. Quoi. Docteur, quelles sont les autres normes à respecter pour éviter toute euh, propagation de la maladie Donc, initialement, j'avais parlé de l'habillage c'est-à-dire, il y a un ensemble d'épis qu'il faut forcément porter. Et tout le corps doit être couvert. Il ne doit pas rester, même si c'est en tout cas, et, je ne sais pas, même si c'est 10 puissance moins 10, près du, euh, je ne sais pas, centimètre carrés du corps ne doit pas être dehors. C'est-à-dire, tout le corps doit être. Et pour ça, nous avons un ensemble d'épis. Donc, nous avons les bottes, nous avons eh, la combinaison, nous avons eh, la cagoule, nous avons les lunettes, et eh, la bavette, les gants, nous utilisons les deux types de gants, jetables et puis gants de ménage. Mhm. Voilà, nous avons les surbottes. Quand on porte les bottes, il y a aussi ce qu'on appelle les surbottes, c'est genre chaussettes, euh, chaussettes, dont la matière est faite comme euh, celle euh, des combinaisons qu'on met sur les, sur les bottes pour les protéger. Donc, la première, c'est-à-dire, là, il faut se protéger de manière intègre. La deuxième des choses, il faut les solutions de chlore indiquées. Parce qu'on a plusieurs types de solutions. Donc, il y a les solutions à concentration faible et à concentration forte. Donc, on, il faut vraiment la concentration forte qui est 2%. Mhm. Donc, tous nos volontaires savent comment préparer ça. Il faut ça. Et l'étape cruciale, avec euh, justement et à chaque fois, quand on touche le corps lors de la préparation, il faut systématiquement désinfecter les mains avant encore, avant encore en tout cas, et de faire un autre jet. C'est-à-dire que quand le corps est là, s'il y a des habits, dès que je touche, j'enlève les habits, je dois désinfecter d'abord avant encore d'entamer un autre. Mm. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter pour prévenir en tout cas la contamination. Maintenant, il y a l'étape cruciale qui est le déshabillage. Comment enlever les épis là Parce qu'en ce moment, on a été en contact avec euh, la personne décédée. On pense avoir euh, ramassé tout ce qui est germe sur ces combinaisons. Donc, du coup, si on ne respecte pas la chronologie de déshabillage, on risquerait de se faire contaminer. Et là, on a eu des cas toujours avec euh, Ebola en 2014 en Guinée. Et il y a eu de nos collègues qui, se sont fait infecter lors du déshabillage. Donc, ça, c'est l'étape cruciale. Donc, il faut respecter la chronologie et la technique d'enlèvement de ces épis. Et après, la gestion des déchets issus des, des, enterrements dignes et sécurisés. Pourquoi Parce que, je dis toujours, on a utilisé ces épis-là, on a été en contact avec le défunt et son environnement immédiat compense et, en tout cas, est imbibé de germes. Donc, ces épis-là ont ramassé les germes. Donc, quand on les enlève selon la technique, c'est bien. Mais quand on les laisse comme ça dans la nature, c'est une source de contamination. Des gens peuvent mhm. venir. Donc, la gestion aussi. Et pour ça, pour la gestion en les enlevant, on, on, doit toujours avoir deux sachets poubelles. Donc, un, pour recueillir tout ce qui est les épis qu'on peut réutiliser, par exemple, les bottes ne sont pas jetables, les gants et les tabliers, donc on les récupère d'un côté. Les autres qui sont jetables aussi, la combinaison, les gants jetables et les bavettes entre là, on les met aussi. Et quand on finit, on les désinfecte tous. Là, il y a les épis jetables qu'il faut euh, systématiquement brûler et les épines euh, réutilisables qu'il faut maintenant traiter selon les principes généraux de la PCI, prévention et contrôle de l'infection. Donc voilà. Et là, on va s'assurer, euh, là, on s'assurera que vraiment on a rompu la chaîne de transmission. Mm-hmm. Chez nous, il est strictement interdit d'avoir accès à nos bureaux sans bavette. Mm-hmm. À la porte, il y a du gel, voilà. Et au niveau de nos bureaux, on a essayé de réaménager les bureaux où il y a deux, trois personnes pour essayer de respecter la distanciation. Au cours de nos réunions aussi, c'est pareil. Donc, euh, tout ce qui est mesures euh, barrières, entre jusque là où je parle, on les respecte. Tout ça, là, c'est des mesures à prendre au cours des enterrements dignes et sécurisés. Merci, docteur. Euh, docteur Halidou Moussa, psychologue, quel peut être l'impact de cette façon inhabituel d'enterrer un mort sur la santé mentale des membres des familles endeuillées. mes collègues qui ont intervenu, je les ai très bien écoutés. Ils disposent d'un très bon protocole. Le protocole a été décrit. Je n'ai aucune remontrance par rapport à cela. Et ils font bien leur travail, ok. Mais L'aspect sur lequel je suis en train d'insister, en réalité, est le suivant. Je dis bien, j'insiste et je persiste que, en tant qu'expert en humanitaire, en urgence humanitaire, il y a le screening qui est fait. Le screening, je peux un peu le qualifier dans le sens selon lequel euh, euh, on détecte des cas, ok, ils sont confinés. Déjà, dans le confinement, je dis bien, il doit avoir une prise en charge psychologique. Je le dis et je le répète qu'une personne auquel on dit qu'elle est atteinte euh, du virus COVID-19 et qui est internée. Euh, on dit qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a, pas de remède, il n'y a rien. C'est que la personne est stressée. Si elle est stressée, c'est que la famille peut être dans une situation d'affliction, l'affliction qui détermine un peu la situation du deuil. On est d'accord on vous comprend bien déjà à partir du moment où on détecte que la personne est positive de la COVID-19, il faut déjà prévoir un accompagnement psychosocial avant même le décès. C'est ce que vous voulez dire, docteur Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. J'insiste et je persiste qu'un individu qui est confiné auquel on dit qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien, c'est que lui, il va se dire qu'il va mourir, mais quand même, il faut l'accompagner psychologiquement, c'est que je sache. Mhm. Et c'est ça aussi le stade du screening. La Croix-Rouge avait défini bien cela tout à l'heure. Mais la famille, maintenant, on dit que euh, peut-être euh, il y, a un niveau minimum de visite au, niveau même du malade confiné. Donc, ça veut dire qu'il y, a un stress post-traumatique aussi, tant au niveau euh, de la personne confinée qu'au niveau euh, de la famille. Donc, je ne fais que décrire le processus d'accompagnement psychologique. Maintenant, si tel est le cas, c'est que et le malade doit être accompagné psychologiquement, être rassuré et accompagné par rapport à sa maladie et ce qu'il a vécu, comment il va guérir, comment on va l'accompagner, comment, etc., euh, etc. Et, il va, il va s'en sortir, il va pas mourir. Vous comprenez un peu c'est ça, je parle de stress post-traumatique par rapport au deuil de l'affliction. Maintenant, la famille même, qui n'a pas beaucoup accès, c'est-à-dire aux visites, compte tenu de certaines mesures de barrière, il n'y a pas beaucoup de visites au, niveau du malade confiné. La famille aussi est stressée. Est-ce que notre parent, notre proche, selon son statut social et sa position sociale, va-t-il s'en sortir ou ne va-t-il pas s'en sortir Donc, automatiquement, dès qu'une personne est confinée, c'est qu'il doit avoir un accompagnement psychologique et psychosocial au niveau aussi familial. Si possibilité il y a, je vais même étendre cela euh, au, niveau de ses proches. Voyez-vous un peu. Mais maintenant, si tout ce protocole-là aussi n'est pas suivi, une personne confinée qui décède, c'est qu'au niveau de la famille, compte tenu des aspects culturels, du vécu, du deuil, il y a certains qui pouvons subir la situation de l'affliction, le deuil. Comment est-ce qu'un individu accepte-t-il culturellement le deuil par rapport à, la perte d'une personne qui lui est très chère Voyez-vous un peu Et cette personne peut être stressée à un certain niveau ou peut même plonger dans un, euh, dans, un stade de dépression. Et il a aussi des d'accompagnement. C'est une chaîne, en fait, que je suis en train de décrire. Docteur, alors, à partir du décès maintenant, avec toutes les conditions d'inhumation qu'on a, euh, cet impact peut-il avoir des effets psychiques euh, dans les comportements futurs des proches des personnes mortes de cette maladie Aujourd'hui, une personne qui vous est chère, au niveau familial, les gens ne vivent pas le même degré du deuil. Une personne peut banaliser le deuil. Pourquoi Parce que bon, la personne n'est pas très proche d'elle, une personne très proche, une personne très affective, une personne, euh, je ne sais pas, avec laquelle vous partagez le quotidien et peut être dans une situation de dépression. Mais en fait, l'enchaînement psychosocial et psychologique, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut un accompagnement même après, après le décès d'un individu contaminé par le Covid-19. Pourquoi cela Parce qu'il va avoir des répercussions sociales. S'il y a des répercussions sociales, euh, l'individu est décédé du Covid-19, mais une personne qui lui est très chère qui ne vit pas très bien le deuil, qui est atteint d'une affliction, qui est stressé, qui rentre dans la dépression, peut aussi subir des conséquences très graves, psychologiquement parlant. Donc, je dis bien, sous le protocole que les collègues de la Croix-Rouge ont développé, c'est des très bons protocoles, on est d'accord, mais l'accompagnement psychologique ne se limite pas simplement quand on va aller prendre des malades, on le confine, qu'est-ce qui a été fait Il est décédé, qu'est-ce qui a été fait Tout à l'heure, je vous ai très bien écouté, parce que vous disiez qu'une personne ou deux mais culturellement parlant, certains parents ne peuvent pas admettre que nous, notre parent est décédé suite euh, euh, au Covid-19 et qu'il y a une personne avec des bottes, des masques euh, ou un truc comme ça pour l'accompagner, pour avoir peur d'être contaminé. Mais tout cela, en amont, il devrait avoir une préparation psychologique. Si la famille comprend maintenant à travers une préparation psychologique et un accompagnement psychosocial, ça ne pouvait pas poser de traumatisme en réalité au niveau familial des personnes qui subissent le deuil. Et aujourd'hui, dans toute situation euh, de stress post-traumatique, c'est qu'il existe un screening. Comme mon collègue de la Croix-Rouge a su très bien le décrire, il y a un screening. OK, voilà les personnes euh, euh et détectées contaminées COVID-19. Euh, la chaîne du suivi est consort. OK. Mais ce que moi je voulais dire et accentuer là-dessus, tout ce processus doit être mentionné et sanctionné par rapport à une stratégie d'accompagnement psychologique. Regardez ce qui se passe en Europe là. Ce qui se passe en Europe, en réalité, ben c'est vrai, l'Afrique est en train de faire des efforts. Mais, mais en réalité, par rapport à la stratégie d'intervention, moi, je parle en termes de stratégie d'intervention, en réalité. Donc, moi, je suis en train de décrire un cheminement qui peut faire en sorte qu'en réalité, nos collègues spécialistes de la Croix-Rouge qui ont su décrire tout le protocole, c'est des experts en réalité à la matière. OK mais l'accompagnement, depuis le screening, le psychosocial va dans le sens de l'accompagnement familial et des tiers. L'individu va dire qu'il va mourir, mais il a besoin d'accompagnement psychoclinique. Et secondo, les parents qui n'arrivent pas à l'accompagner, par rapport même aux visites, par rapport au confinement, par rapport au protocole de sécurité, par rapport au protocole de la distanciation et tout ce qui s'ensuit, ont besoin maintenant, c'est-à-dire d'un accompagnement psychosocial. Alors, docteur Moussimaïga Al-Hassan, coordonnateur santé et nutrition de la Croix-Rouge nigérienne, quelles sont les difficultés auxquelles euh, font souvent face les personnes ayant en charge les inhumations de ces personnes décédées de la COVID-19 et comment l'aspect psychosocial du décès est-il géré à votre niveau, justement Ok. Donc, euh, en fait, les difficultés vraiment que euh, nous avons eu à rencontrer au cours de nos opérations en termes de sécurisée, il y a le refus de certaines, en tout cas, familles, donc qui refusent catégoriquement. Quand c'est au niveau communautaire, nous avons eu des situations où des gens prennent le corps, ils partent enterrer à la périphérie. Parce que vous savez que vers Saragou, il y a des cimetières qui ne sont pas réglementés. Ils partent là-bas, mmh. ou la nuit, donc ils font leur enterrement à leur risque et péril. Et souvent, ils n'acceptent pas le fait qu'on a mis le corps dans le sac mortier. Donc, ça fait l'objet, en tout cas, d'agressions de, euh, verbales, souvent même, euh, en tout cas, on peut dire physiques. D'ailleurs, c'est pour cela, à un moment donné, on avait demandé la présence des FDS au niveau des cimetières, au niveau du comité national technique, qui a mis en place, en tout cas, ces forces de défense. Pour faciliter vos interventions. Voilà, pour protéger, pour nous protéger, voilà, pour faciliter il y a les insultes, en tout cas, il y a tout ce que, que vous pouvez penser. Mais de toutes les façons, nous, nous avons une mission à accomplir, on le fait, c'est comme ça, et c'est dans le euh, bien de tout le monde, c'est pour rompre la chaîne de transmission. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Il y a aussi cet aspect euh, psychologique que vous avez dit. Donc, en ce qui concerne tous ceux qui interviennent, nous avons mis en place un système d'écoute au niveau de la Croix-Rouge. Donc, où ils peuvent appeler, et le plus souvent, cas, c'est l'équipe euh, de psychologues, parce que au-delà de, du sociologue et du psychologue, on a fait appel euh, à, des étudiants masterisants qui sont en année de master au niveau de l'université de Niamey, une euh, dizaine comme ça, qui discutent, qui les écoutent par rapport à leur stress, en tout cas, qui essaient en tout cas de les accompagner. Et on a eu aussi à organiser des séances, des séances récréatives pour ces, gens qui interviennent dans les entourements dignes et sécurisés, mhm. des, des séances de, réception et autres, en pour essayer de les accompagner. Quoi. Mhm. Voilà, donc euh, surtout au niveau des écoutes, les difficultés et essayer de les aider à remonter ça. Donc ça, c'est vraiment purement quoi rouge. Mais il serait préférable aussi d'accompagner les familles parce que après ça, moi j'ai reçu beaucoup d'appels de la part de ces familles-là par rapport à la suite, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, ils ont tel tel problème. Donc, je ne suis pas spécialiste. C'est vrai, j'ai un, petit niveau en prise en charge psychosociale. J'essaie en mes médecin oui, de oui, formation. Oui, oui voilà. J'essaie en tout cas de les prendre. Il y a d'autres que j'ai eu à, prendre en charge. D'autres, je les refais carrément à nos spécialistes. On essaie en tout cas, au cas par cas, de les prendre en charge. Mais il serait préférable d'avoir vraiment, justement, une équipe de prise en charge psychosociale qui, dès qu'il y a le décès, qui va essayer en tout cas de discuter avec euh, la famille. Parce que nous, on le fait. C'est les premiers secours psychologiques. Mhm. C'est ce qu'on fait. Mhm. Ok, mais de manière en tout cas en amont, il faut essayer de préparer la famille et essayer d'accompagner la famille parce que c'est très difficile. surtout au Niger, on, sait qu'il y, a euh, il y a la stigmatisation qui est là. Donc la prise en charge psychosociale permet en tout cas de prévenir ces stigmatisations, non seulement au niveau des, familles qui ont été victimes, mais aussi de la population générale. Parce que quand on fait, des, par exemple, des, sensibilisation des spots sur la prévention, prévention des stigmatisations. Ça va en tout cas permettre aux gens de comprendre de manière générale et de manière spécifique les familles. Merci, docteur. Docteur Halid Moussa, psychologue, euh, un résumé de quel soutien psychosocial ont besoin les proches de tous ces morts de la COVID-19 et comment les accompagner dans ce choc émotionnel à court, euh, moyen et long terme L'accompagnement depuis le screening doit suivre son cours normal. Psychologiquement, tant que la personne est détectée COVID-19, confinée, non confinée ou confinée chez soi, le psychosocial doit être à l'ordre du jour. Nous disposons, je dis bien, de comportements qui sont instantanément ancrés. Mais comment changer ces comportements-là Parce que la personne même qui, qui développe la maladie du Covid-19 vit dans un milieu social. On est d'accord Si la personne vit dans un milieu social, avant qu'elle ne soit confinée, mais c'est qu'il y a un stress post-traumatique qui peut se vivre au niveau de toute la famille. C'est important Maintenant, tout ce que moi j'ai à dire par rapport à, cette problématique euh, de transport traumatique euh, par rapport à une pandémie, c'est-à-dire le screening doit être bien fait. Il doit avoir un pic déjà un accompagnement psychologique à l'endroit de l'individu qui est détecté Covid-19, confiné, on est d'accord, et un accompagnement psychosocial au niveau de la famille, l'accompagnement psychosocial, c'est-à-dire euh, à dans le sens, j'ai dit, de réduire certaines pathologies qui peuvent survenir par rapport à la situation du deuil. Parce que dans les sensibilisations, je l'ai dis et je le répète, on nous dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède, qui n'a pas de vaccin. On est d'accord Donc, la famille, déjà, au niveau de l'esprit, c'est dire qu'en réalité, cette personne-là qui nous est très chère, on va la perdre. Vous comprenez ce que je veux dire en réalité L'accompagnement euh, psychologique doit être euh, au niveau de toute la chaîne. On ne voit que le Covid-19, mais en réalité, il n'y a pas que le Covid-19. Quelqu'un qui perd un individu cher, j'ai dit bien, par rapport à certaines pathologies de l'affliction, du stress aigu, et, aussi de la dépression, c'est aussi des conséquences. L'accompagnement psychologique, socialement parlant, doit être suivi au niveau des proches et consorts. Imaginez tout à l'heure, vous avez parlé de stigmatisation. La dernière fois, j'étais parti trier, il y a un individu qui était confiné. malheureusement, quand il était venu euh, sortir du confinement, personne ne voulait s'approcher de lui pour lui. Comprenez-vous Donc ça veut dire que c'est une situation de stigmatisation. Or, le stigma, il faut le combattre. Et comment on peut le combattre On ne peut le combattre que par rapport aux sensibilisations et aux approches psychosociales. Euh, Merci à vous, docteur. Juste euh, en quelques secondes, euh, docteur Moussima Hassan, coordonnateur santé et nutrition de la Croix-Rouge nigérienne, que préconisez-vous à toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation D'accepter, parce que <laughs> c'est la chose vraiment la plus difficile. Donc, d'accepter la situation, c'est comme ça et que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour leur bien, c'est pour rompre la chaîne de transmission au niveau de leur euh, entourage, voilà, et vraiment d'être fort. C'est une situation, donc c'est pas arrivé à eux seuls, donc c'est beaucoup de monde, c'est arrivé à beaucoup de familles, donc ils doivent l'accepter et c'est comme ça, Et ils doivent apprendre à vivre avec. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai à dire donc, euh, par rapport à ça. Donc, il faut l'accepter. c'est pas, une, pas une fin en soi. Euh, c'est une situation normale. Quoi. Voilà. Merci à vous, fidèles auditeurs. Nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème euh, les conditions d'inhumation des personnes décédées de la COVID-19, quel impact psychosocial sur les membres de leur famille. Nous étions accompagnés de Dr Moussi Maïga Al-Hassan, coordonnateur euh, santé-nutrition de la Croix-Rouge nigérienne, et le psychologue euh, Dr Halid Moussa en ligne au téléphone. Nous disons merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la réalisation technique audio et vidéo. Nous avons Issa Laoli et Mustafa Yuba. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du forum de Studio Kalango. Passez une excellente soirée et au revoir.